Alun salle professeur à l'université. Donc nous avons eu l'honneur de présenter devant le groupe de réflexion euh, quelques euh, idées euh, sur la, la, problématique de la sécurité aujourd'hui dans notre pays. notre propos a plutôt porté sur les aspects internationaux de cette sécurité, puisqu'on ne peut plus penser la sécurité en termes rigoureusement nationaux dans une sorte de huis clos euh, à l'intérieur de ses propres frontières. Voilà pourquoi il nous, a, il nous est apparu nécessaire de mettre en relation euh, la réflexion nationale sur la sécurité avec des données internationales immédiates. Il nous a également semblé qu'on ne pouvait pas aujourd'hui penser la question de la euh, sécurité dans notre pays sans la relier à un certain nombre d'évolutions purement internes liées notamment à la découverte d'un certain nombre de ressources sur le plan naturel, pas simplement eu égard à la fameuse malédiction des ressources naturelles, mais également parce que ces découvertes euh, impliquent, sont susceptibles de poser des problèmes avec notre voisinage immédiat. Il faut bien comprendre que les États luttent pour des espaces, pas simplement parce que ce sont des espaces, mais parce qu'il s'agit d'espaces qui recèlent des richesses naturelles. Et donc, la réflexion sur notre politique de voisinage, la réflexion sur nos engagements internationaux, en tant que membre notamment de la CDAO, tout cela nous a semblé devoir être convoqué dans une euh, réflexion euh, sur les regards croisés et des enjeux sécuritaires aujourd'hui au Sénégal. Voilà un peu dans quel sens nous avons tenté d'orienter notre, réflexion. sécurité Sénégal euh, ñun nag fi ñu féetale suñu xalaat mooy ne mënuñu euh, xol sécurité Sénégal tay te kenn du am du djéggi suñuy frontière il faut que ñu gis euh, li ñaan aspect internationaux yi madame li nga xamné suñu sécurité la mais jéggi na suñu dëkk parce que tey booy xool problème sécurité yépp problème mu internationaux la kenn mënul japp né tay c'est sécurité sécurité nationale rek la loolu mooy wax bi djék ñaareel bi moy suñu sécurité buñ koy xalaat il faut tamit ñu Euh, boole ci xalaat bi euh, lépp li nga xam ne moom nañ moom lañ naan ressource naturelle xam ne feeñ na Sénégal temps yi muy lépp lu jëm ci gaz bi wala lu jëm ci pétrole bi yooyu yëpp ay euh, loo xam ne la suñu réflexion la war a bokk te dañ ko ci wan a essayer boole ndax yooyu yëpp tamit daf ñuy delloo ci suñu digganteeg réew yi nga xam ne ñoo ñu seex parce que fu pétrole ak gaz naturel am xam nañ ne tamit problème mu voisinage mën na fa am rawatina bu fekkene problème yoyu jot na jëpp ci njëlbeen waaw yoyu yëpp taxna na ñu daal di ne tay réfléchir ci aspect sécurité Sénégal xol suñu karangé moy lolu il faut que ñu am yo xamné dina dépasser suñu frontière yo xamné ne ko ci duggal